fada barkanku da warhaka barkanmu da sake saduwa cikin wannan shirin namu na tous à la fada votre émission des jeunes favorites vous l'avez compris la fada n'a pas de limite duk abin da ya shahi rayuwar yau da kullum ta matasa sai mun zanta a cikin wannan shirin ga mu a CNTS a nan birnin Yamai centre de transfusion sanguine gab da hôpital national certains le connaissent pour avoir cherché du sang d'autres pour avoir donné du sang depuis sa création en 1999 wannan ofishin dai yana karban jini da yake badawa in a cikin likitoci ana bukata a nan ne suke zuwa nema to an jima ana yakuwar mutane don su dinga zuwa suna taimako suna ba da jini d'ailleurs depuis le 5 août 2020 Facebook et le Centre national de transfusion sanguine ont annoncé le lancement d'un nouvel outil pour encourager le don de sang wannan hulɗa dai don a kiyaye rashin wannan jinin ga marasa lahiya masu bukatan wannan jinin dans cette émission nous allons revenir sur l'importance de ce geste shi wannan jinin yaya ne ya kamata shi et comme d'hab la musique la rubrique et la chronique qui sera présentée par Olivier seront également de la partie mai gabatarwa ta Kullum Rabia Mai Kano Selon l'OMS, la meilleure façon pour les pays d'assurer un approvisionnement fiable et la sécurité transfusionnelle est d'obtenir 100% de dons de sang

Fatih Lankondé, elle donne régulièrement son son depuis. Tanti, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Ça va, ça va, ça va. va. Vous donnez le son depuis 2005. 2005, ça fait pratique. J'aurai 16 ans. 16 ans. Voilà. Mhm. Voilà. Amigado, elle est étudiante en médecine. Ça va, Ami, tu vas bien Super, bienvenue sur Tous à la Fada. Nous sommes avec docteur Agali Ibrahim. Il est médecin généraliste, docteur. On a là là alors ya aiki aiki da to ku da shirin tusa Et eh, comme quelquefois déjà, nous sommes avec Dr Bakou Al-Mokhtar. Il est médecin également. Docteur, ça va y ya aiki

kuma shi ne ke sa duk ɗan adam eh, ya samu ya yi tsaye ko ko ya samu ya tahiyar da ayyukan rayuwa ta yau da kullum menene kenan jini shine a ɗauke da eh, kun san jiki ana cewa bai aiki sai da jini shine a ɗauke da akwai sinadarai wanda ake cema kamar oxygen wanda in mun ka shaƙi iska eh, abu na kware da a ciki wanda kwakwalluwa da duka bangarorin mm. jiki ke aiki da su mm. jini shine ke yawo da su ko ina kenan eh. in babu jini kun ga wa'annan ba su samu su yi aiki bayan haka na cikin jini ne in akwai masassara ko ko in akwai ƙwayoyin cuta da sun ka shiga cikin jiki mm. eh, ga masu kama eh, arme masu defender in jiki cikin jini ne suke yawo kenan in akwai ƙwayoyi da sun ka shiga cikin jiki wani lokaci in akwai bukata a yaƙe su abun gan da ke yaƙin su cikin jini ne suke yawo mm. kenan kuma kun jini shine ke sa bayan wa'annan ƙwayoyin duk wasu abubuwa da eh, jiki ke iya sinadarai wanda jiki ke iya aiki da su wani kunga cikin eh, ana iya cewa gilbe shine nan ne za a sarrafa shi mm. amma aiki shi yana tahiya kamar a ce cikin anta kenan jini ne zai ɗauka shi da cikin gilbe inda an ka sarrafa shi ya kai shi cikin anta inda za a aiki da shi kenan da mun gani jini shi ne babban eh, menene zance bangare na jikin ɗan adam wanda ke aiki wanda ke sa duka gaɓoɓin jikin ɗan adam su yi aiki kakan da ya kamata To, doktora eh, mun gode da wannan karin bayanin da ka ba mu. Eh, ɗazu ina gaya muku ina ce muku muna jiran Monsieur Lee gashi nan yanzu dai ya iso. Mm. Monsieur dit bonjour, vous allez bien Bonjour. Ok, on va, falloir prendre le micro comme ça. Oui. on va grignoter un peu de votre temps précieux. Lui, il est le responsable de la promotion don de sang ici au CNTS. Donc cette question elle est spécialement pour vous. Euh, Shi Y a-t-il des examens qu'on fait au préalable Comment vous procédez pour euh, recueillir ce sang mm. Voilà. Donc si je prends l'exemple des états unis scolaires, donc euh, on passe par une sensibilisation et après la sensibilisation, les volontaires inscrivent leur nom mhm. et on convient d'un jour pour venir chercher les, donneurs de sang pour les amener soit au centre régional de transfusion sanguine ou bien on les trouve là-bas même pour faire le prélèvement. Ok. Mhm. Donc le prélèvement, avant même le prélèvement, je précise qu'il y a une consultation qu'on fait d'abord. Ah d'accord. En fonction des réponses, on peut même vous dire vraiment pour vous c'est pas bon de donner parce qu'en fait c'est la sécurité du donneur d'abord après celle du receveur. OK. Donc après la consultation si le médecin juge que vous êtes apte donc là vous allez vous donner le sang. Hmm. Mais une fois que vous avez le, donné le sang, avant de le transfuser à un ou à des malades, il y a des examens qu'on fait, notamment le groupe sanguin, le test pour la syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH-Sida ok kenan ba hakan bane ake zuwa dauka sai an gani ma an kai kana iya bada an ba ka iya wa ba a amshi ba ba a karbi jinin naka ba si vraiment vous n'êtes pas apte on vous on vous prélève pas il faut okay. que toutes les conditions ou tous les critères de don de sang que je vais vous citer tout de suite qui sont être uh-huh. en bonne santé, ne pas être à jeun. Donc prenez votre petit déjeuner comme vous avez l'habitude de le faire et après le don de sang on vous donne quelque chose à manger. Avoir entre 18 et 60 ans, avoir un poids supérieur ou égal à 50 kg. Pour les femmes ou les filles, ne pas être en règle, ne pas être enceinte, ne pas allaiter. Un homme peut donner tous les 3 mois et une femme tous les 4 mois. Quelqu'un qui donne deux fois de suite après deux résultats, la personne amène juste deux photos dentées et on lui établit une carte. Si vous disposez de la carte, en cas de besoin de sang, vous envoyez seulement la carte. Hmm. Et le sang, hmm. c'est gratuit. Les gens donnent ça gratuitement et on distribue ça gratuitement. Gratuitement. to yanzu sai kun dan lokaci tunda wannan kun information da kuma wanda bai da shi wannan sai na da Hausa kenan il faut a to dan ka samu ka bada eh. kuma a ce kai ma kana cikin koshin lahiya sannan ka bada wannan jinin na kuma wannan jinin dai ba sai da shi bane kake kuma ba siyan shi bane za a yi yawa kun ji kuma in wannan jinin in ka bada shi hallo sai an yi binciken shi a gani in ana iya sa shi binciken da ake mishi kuma kamar na wasu cututtuka ne kamar su VIH eh, sida da su hepatit da shawara doktor da kun ya hausa ni kuke nan kuna bani wannan <laughs> ka doktor <laughs> to <laughs> Yanzou, on va faire une petite pause avec la rubrique de l'artiste s'exprime, qui est l'affaire de Mr Dondi. Et on se retrouve juste après. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, surtout Salafada, l'artiste s'exprime. Hey! L'émission est consacrée à la jeunesse nigérienne. Vous le savez déjà, amis auditeurs, auditrices des radios, partenaires du studio Kalangu. L'art, c'est pas que la musique, c'est pas que le chant, c'est pas que le slap, c'est pas que le cinéma. L'art, c'est aussi la peinture, le dessin. Tout ce que vous voulez savoir sur ce genre d'art, sur cette émission, ça serait dans un instant avec un artiste nigérien qui fait le buzz sur la toile. Il cartonne comme pas possible à où parle. Il est connu de tous. Et aujourd'hui, l'émission lui fait honneur. Il n'est plus à présenter, son nom c'est Ahmed Gissa, le dessinateur. Alors l'artiste Ahmed, je te souhaite la bienvenue sur l'émission Tout ça la Comment tu vas Ça va bien. Tu pètes la forme Bien, je vais bien. Super. Alors on va d'abord parler de toi. Ok, d'accord, faire ta biographie sur cette émission, parler de ton parcours dans un premier angle. Ensuite, nous allons parler de ton art, de ce que tu as déjà de disponible et de ce que tu as déjà fait et de ce que tu as déjà présenté sur la toile. Qui est Ahmed Gissa C'est la première question que je pose sur cette émission. Euh, je m'appelle Ahmed Gissa, je suis euh, originaire d'Abalaktawa. Euh, à l'état civil, on m'appelle Ahmed Ahmed Gissa. Je suis étudiant à l'université Abdoumoumouni à la première année de LAC, lettres, arts et communications. de l'autre côté, je suis un peintre, dessinateur, portraitiste. Peintre, dessinateur, portraitiste. Alors on va détailler peintre, dessinateur et portraitiste. C'est quoi la peinture, Ahmed Gissa euh, la peinture, c'est l'art de, Pour moi, c'est personnellement, mhm. c'est de représenter des choses, des animaux, des personnes en, ah. peinture, ou bien des messages à travers les pinceaux. Ok. C'est tout ça. C'est ça ta définition de la peinture. Oui. Alors, dessin, ça veut dire quoi, Irissa Dessin, dessin c'est l'art de présenter, de présenter quelque chose ou bien quelqu'un à travers le crayon ou bien que, quel que soit les matériaux. À travers le crayon, donc tu le fais à la main Oui. Sans décalque Non. Comment tu fais Alors explique-moi comment tu fais. Tu prends une photo ou une personne, tu euh, la regardes, tu la dessines ou comment est-ce que les choses se passent Comment tu fais tes dessins Bon, tout a commencé depuis mon enfance. Ah, euh, tu as commencé ça à bas âge oh, Oui. Ok, d'accord. J'étais à l'école primaire, en classe, précisément en classe de CPC1. Mhm. Je faisais déjà des de dessins au tableau. Aucun enseignant ne peut dessiner devant moi. Waouh, donc tu es avec, tu as ça dans le sang donc du coup, tu as le portrait, tu prends une photo, tu regardes, tu dessines ou comment est-ce que tu fais Parce que je te vois aussi dessiner sur des tableaux, sur le tableau noir avec de la craie. Alors comment tu fais Ou bien tu as déjà l'image en tête, ou bien il te faut regarder et dessiner ou comment est-ce que la chose se présente Bon, si c'est pour dessiner euh, le portrait, le visage d'une personne, mhm. il faut que je passe beaucoup de temps, je regarde la personne sur tous les angles, je regarde, je regarde, je zoome, je dézoome la photo pour que je, je mémorise, si je peux le dire, je mémorise bien le, les proportions, les mmh. détails du visage. Mmh. Après, je, prends mes papiers, j'essaie de faire le contour. C'est le plus difficile, le, contour, des visages, oui. Ok. Le contour des visages, j'essaie. Parfois, je ne trouve pas. Parfois, je... ça me prend des jours. Hein. Ok. Si, euh, ça dépend tu des... fais, tu refais. Comme j'ai un enfant qui apprend à marcher. Tu essaies jusqu'à ce que tu trouves le truc, de euh, bon milieu. Voilà, c'est ça. Ok. Euh, une fois j'ai eu le contour, je commence le détail. Hmm. donc on fait le contour, après maintenant on fait les yeux pour que ça soit typique à la personne. Hmm, oui, c'est ça. Super. C'était la machine, c'était l'artiste Ahmed Gissa sur l'émission Tout à la Fada en la rubrique L'artiste s'exprime. On se prendra plaisir Dieu demain, même heure, même fréquence. Nous allons parler des œuvres en question de l'artiste. Et depuis euh, le CNTS, le CRTS également, a nan ga birnin hôpital national muna nan muna hira ya tare da wa'annan da suka gayyace mu kuma da wa'anda mu ma muka gayyato bisa kan mahimmancin taimakawa da ba da jini ba da jini dai me yasa ya kamata a yi shi wane ne kuma zai le don de sang comment sauver des vies à cette fois nous sommes avec euh, Fatih Lankondé, elle est donneuse de sang depuis 16 euh, ans déjà. Nous sommes avec Amigado, elle est étudiante en médecine. Docteur Agali Ibrahim, médecin généraliste. Docteur Bako Al-Mokhtar, médecin également. Monsieur Lee, le responsable de la promotion don de sang ici au CNTS. Zan mu ci gaba da wannan shirin namu da wani rahoto da abokin aikinmu Muhammad Mamman yayi a Maradi wasu 'yan makaranta École Hikima ont partagé avec nous ce qui les a motivés à donner leur sang. Ils étaient nombreux, les élèves filles et garçons qui se sont mobilisés pour manifester leur volonté de don de sang. Pour la circonstance, les responsables du CSPI Kima de Maradi ont mis trois classes à la disposition des infirmiers de la CRTS pour pouvoir prélever le sang. Pour le président de l'association, Mohamed Ibrahim Farouk, cette action vise à inculquer des valeurs d'entraide aux jeunes scolaires. Nous avons reçu un appel au niveau de la CRTS. Le responsable était en train de nous dire que les gens sont en train de mourir euh, juste à cause du manquement de sang au niveau des stocks. Donc nous, nous avons jugé utile de faire un premier pas pour l'année 2021 avec un don de sang. Nous avons reçu à peu près 200 personnes qui ont accepté de venir donner leur sang. Léla Lousseni est une jeune fille de terminale qui n'a pas hésité à donner son sang. Pour elle, c'est la première fois et elle veut donner son sang pour sauver une vie. Ce qui m'a motivée à donner mon sang est que dans la vie courante, on observe que dans des hôpitaux, des dispensaires, il y a des frères et sœurs qui en ont besoin, qui sont en urgence, quoi. Ils en ont besoin. Tu as donné ton sang Oui, j'ai donné mon sang. Et tu es contente Oui, je suis contente de donner mon sang car je ne sais pas, peut-être ça va sauver nos frères et sœurs ou quelqu'un de ma famille, même je ne sais pas. Et tu vas continuer à donner le sang Oui, je vais continuer, bien sûr, si j'en ai le moyen. Le professeur du CSP Hikima, Issa Siraji tire son chapeau à ces jeunes de l'association Matassa Nessa pour cette noble initiative. Il apprécie également la manière dont ses élèves ont accepté de donner leur sang. L'initiative qu'ils ont c'est une initiative eh, sociale, eh, ça contribue en tout cas donc à l'amélioration de la santé des uns et des autres. Et les élèves qui ont donné eh, donc leur volonté de donner du salat, en tout cas, je vois en eux déjà donc des futurs dirigeants qui peuvent toutefois donc sauver notre société. Parce que quand quelqu'un commence à poser des actes comme ça, et à petite échelle, c'est veut dire que, en tout cas, cette personne-là est prête à à poser les actes à grande échelle quand elle sera grande. Cette activité qui se veut une phase pilote pour le don de sang dans les établissements scolaires est au-delà des espérances des organisateurs, ce qui est un bon augure pour d'autres prélèvements afin d'aider davantage la banque de sang du Centre régional de transfusion sanguine de Maradi. kamar a duka cikin shirin namu akwai waɗanda suka daɗe suna bada kamar fatilan kwande da take nan tare da mu ita kuma tace ta kai wajen shekara goma sha shida tana bada jininta yanzu muna so mu sani ko wannan jinin da kuke bada fati me yasa kuka fara bada shi ko ko yasa kuka ci gaba da bada shi to na gode diyata mhm. eh, a zaman mu na duniya ya kamata kowa ya yi markan fasashin shi surtayar mm. ni ba da kudi da zani ginin jirin likta ba da kudi da zani gini masallaci kudi da zani eh, rijiya abin da a gare ni wanda bai tambayi wani abu ba shine shine hmm. en 2005 j'ai fait na test, tout était négatif. Je me suis dit que je peux être utile à ma société. Hmm. Donc depuis 2005, j'ai commencé à donner le sang. chaque quatre mois, je suis dans ce centre. Ok. Mhm. Nous avons ici avec nous euh, Amigado, voilà, vous êtes euh, étudiante en médecine et vous avez récemment organisé euh, une campagne, je crois, pour euh, donner le sang, la promotion du don de sang. Parce qu'on a remarqué qu'on est tout le temps à l'hôpital et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus de manques. Des fois, tu viens, tu demandes juste deux poches, on te dit manque, envoie les parents. Et généralement, les parents ne viennent pas donner. Mm. ce sont des patients qui ont vraiment besoin de sang avec 1 ou 2 grammes. Donc on s'est dit pourquoi ne pas, ne pas organiser euh, une campagne, demander aux gens, pas les parents, la famille, tout le monde, genre la société, demander à tout le monde de venir. Oui, oui kowa ma yanzu to ai ban kuma docteur qui association kin naku na jeune médecin du Niger Docteur docteur Agali Ibrahim mm. kuma kuna qui faɗakarwa kuna ta yakuwar mutane su dinga zuwa suna taimako da bada jini ko mutum kaman kaka shira ka ce sai abun da kana iya bada wani abu da ba sai kana da eh, wayansu kayoyi da yawa ba eh. shi jinin wato mutane kama mu mission inmu muna ta kwatanta mutane jinin ma mine ne fiske mu likitoci ne mhm. mu ne muke rubuta takardun da muke tambaya jini da a kawo mu yi transfusion in mu Mm. Eh, muna kwatanta wa mutane wani bi mutane kamar ba su ganewa a ce an je nan scientist ba samu jini ba kamar mutane akwai wayansu abubuwa da ba su gane don mu mison in mu shiga gari mu kwatanta mu mutane da jinin kama ba a ina za a samu ba ba da shi ba kamar ba wani abu ne da ake fabrike ba mm. kuma mutum kaka jira ka ce sai mutum naka ko kai da kanka ka shiga cikin bukatan jini ne za ka sai na sayan test ce mm. abu ne sai wani ya je ya aje ne wani zai iya zo ya doka mm. kamar mu wannan ne yasa muka ce mu doki eh, mu tashi da kanmu mhm. mu shiga gari mu yi ta sensibiliser mutane to kun shi dai là c'est un peu plus clair je crois mu dawo wurin ku monsieur li qui sont vos principaux donateurs wane ne suke yawan zuwa nan ga suke bada jinin nasu parce que mun ga akwai wasu structure wanda sun daɗe suna aiki tare da ku to suwaye waye suka hibadawa a nan centre. donc les donneurs d'abord il y, a, y a beaucoup de donneurs des donneurs volontaires tels que Fatih Lankonde eh. hey. Il y a les étudiants, il y a les associations, il y a les clubs, il y a les FADA, il y a les forces de défense et de sécurité. Tout ce beau monde-là donne du sang. Ok. Seulement, comme je l'ai dit tantôt, la demande est nettement supérieure à l'offre. Voilà. Kenan kude sai Voilà. kara. Hallo, da yanzu wannan Amin na FADA, Farouk, Ibrahim Dodoso, yana tambaya har akwai wa'anda su ya kamata a ce regular man suna zuwa parce que in ba su ba da jinin nasu ba sasura de trop a cikin jikin dan adam ya ya des individus comme ça ou qui, qui sont obligés de donner docteur ba ko zan zo gare ku in kuna iya gaya muna ya des individus kamar wa'anda in ba su ba da ba ma sai un problème ya kamata a ce kullun suna zuwa suna ba da regularement ça peut arriver uh, shi dai jini kama euh, abu ne wanda akwai uh, kayyadan shi daidai wanda adda cikin jiki Raraman za a samu mutane wa'anda akwai abun ganda ake ce ma fair ya yi yawa cikin jiki wannan kuma ah, ba kamar cuta ce hmm. kenan eh, antan normal duka dan adam kantite in jini wadda a cikin jikin shi daidai ita ce a akwai in ma an yi shekara nawa ba a bada ba wanda ake ce ma globule rouge wanda a cikin jini hmm. shi yana da dure de vie kwana ashirin da eh, ɗari da ashirin yake yi wanda in ya kai lokacin nan jiki yana sa wani ya mutu sai a sake sarrafa wani amma ba ina ji zancen da ya kamata mu yi ba zancen in ba a bada ba in yana yin yanwa amma unhwani wani irin unhwani ne a cikin bada jinin ina ji hmm. shi ne ya kamata mu diba mu gani in muna bada jini ƙanda na ce muku jini selul ne kenan in ma ba a bada su ba in ma ba a hidda shi ba in sun ka rigai sun ka yi kwana ɗari da ashirin mutuwa za su yi jiki sake sarrafa wasu za su yi kenan wa'annan da mu bari sai sun mutu jiki ya sake sarrafa wani ana mm. iya hidda su tun da sake sarrafa su jiki zai yi sai ya sake shi ma sarrafa wani kenan kowane lokaci muna bada jiki na sake sarrafa wasu selul wanda sun kahi karhi wanda sun kahi kyawo kuma muna rage ma eh, menene zanta organism da organ mu duka nauyin da wani eh, nauyin duka yanda suke jiki toxin duka wannan mm. kenan akwai mahimmanci mai yawa cikin bada jini gare kama kai mai badawa shine yasa eh, ya kamata lokaci zuwa lokaci mu ɗauki matakai don mu zo mu bada jini yana da unhwani gare mu kuma mu kawo namu gudunmuwa don ceton rayuwa 'yan malati wanda ke son shi ne shi jiki kama menene za a ca mashin ce eh, abin da ka saba mishi da shi ne zai aiki mm. in ka saba mishi kullun da sahe in na tashi ga abun da zan yi ran da baka yi shi ba shi da kanshi ce maka zai yi akwai abun da ka saba mini da baka yi ba kenan ya saba lokaci zuwa lokaci a hidda jini mm-hmm. shi ma sai ya ji sauki ya ɗauki matakai don ya maida shi mhm. radda ba a hidda ba mhm. sai ya ji kamar an ba shi aiki akwai wani abu da ya ƙaru mhm. ya yi nauyi yana so a rage mishi kenan eh, jini shi eh, lokaci zuwa lokaci ya kamata a bada shi saboda organ mu kuma su ma su samu su samu sauki in an ka hidda akwai eh, menene zanca inda ake fabrikan selul in rouge sinadarai ne su ma suna aiki kamar mashin ce mm-hmm. plus ana ba ana sa ta tana aiki plus elle sera performante et ils vont prendre le temps a kan da monsieur ya ce lokaci kalilan su sarrafa duk abin da ya kamata don wannan da an ka hidda su maida shi mm. amma ban da na buzaye ko <laughs> banda na buzai banda <laughs> na buzai <laughs> to mai sai lizan dawo gare ku ina da karamar tambaya kamar je mu dan shakata ka dan kuma hallo cikin wannan shirin est-ce qu'il y a des groupes sanguins dont on a le plus besoin a ce sun ga zuwa suna bada bon en fait en fait euh, en matière de don de ça on a besoin de tous les groupes kowa ma yazo tous les groupes parce mm. que on peut avoir besoin de n'importe quel groupe. Seulement, je vais un peu parler des groupes rares qui sont les négatifs. Le O-, le A-, le B-, le AB-. Le plus rare, c'est le AB-. Donc là, en général, ça représente 15% des, donneurs. Et les groupes rares, vraiment, le groupe négatif, il faut quelqu'un de négatif. Par exemple, un O-, il faut un, un O- un A moins, il faut un A moins ou bien un, un O moins. Donc vous voyez, la chance d'avoir est réduite. Ouais, ouais. Voilà. Mon le docteur donne un karin de da ka bamu zan mu je mu dan shakata kaɗan zan baba a na aure ta auta MJ Boy da Rakia Moussa cikin wannan shirin <laughs> on va changer un peu de, <laughs> de feeling <laughs> et on se retrouve juste après. Oh. Ah. ina son aure da za ki bani dama da za ki bani dama mai sauya. ki ce da ni yau na kawo kudin aure na mm, da na fi fice a kuna zan je gurin na. Assalamu alaikum mahaifina magana oh oh magana ce ta rayuwa na ah, ah. kusa da kai zane zauna Allah sarki baba na baba ne da a yi mini aure na yi girma ne hankali baba a yi mini aure Baba a yi mini aure, a yi mini aure. Baba a yi mini aure, a yi mini aure. Baba na isa aure, a yi mini aure. Baba na isa aure, duba, ka yi mini aure. ki sani magana ce ta baya yau zan yi tuni maganar auren da kika ce za ki mini ke kika ce sai ne hankali sannan ko za ki mini aure yanzu na girma mama dubi zai iya noma na yi hankali ma ki dube ni da kyau ki bini aure in ko kin ki ki mini aure mama tun da dai na gana yi girma zana je in siyar da gonan baban mu in kai sadaki gidan su wacce nake so ku sani ai mana aure Le don de sang, comment sauver des vies On en parle aujourd'hui au CNTS dans cette fada avec Amigado, jeune étudiante en médecine, fatil Nkondé, donneuse euh, de sang, Dr Agali Ibrahim, médecin généraliste, Dr Bakou al médecin également, Monsieur Lee, responsable de la promotion don de sang ici au CNTS. On va poursuivre ou je dirais finir euh, cette émission avec notre dernière question. non, je da ake badawa ki en bénéficie une fois collecté Théoriquement, euh, il irin wannan mun théorie kala kala bisa kan ah wata ran ka zo ba abaka, baka wata ran ka zo he ma an tambaye ka kuɗi he ka siye miye dai muna so mu ji ya ne abun yake harwa a centre. monsieur li gare ku niki voilà mm -hmm. donc le don comme le don de ça j'ai expliqué tout à l'heure uh -huh. maintenant pour la distribution ou les bénéficiaires mm. tous les malades sont peuvent bénéficier. Il n'y a pas de tel malade. Il n'y a pas un qui est privilégié par rapport à un. Quel que soit le malade, quelle que soit la formation sanitaire, l'essentiel qu'elle présente ici, mais il y a des papiers qu'elle doit présenter et qu'il faut que ces papiers-là soient conformes. Ok. il y a une procédure à suivre. Ah, bah, D'abord, le sang, on ne le donne pas à un particulier. C'est-à-dire, moi, même si j'ai mon parent qui est malade, exemple, à l'hôpital national, je ne peux pas venir. C'est l'hôpital qui doit venir chercher. to mun gode yanzu zamu zo ga tanti fatina kwanne to ha to mm. wata istuwar ne anecdote ne za ni muku rakwante mm. lokacin na muna muna muna iftik ina tare da wata abiciyata duk lokacin da zan ba da jini sai in ce mata zo mu tai mu bada sai ta ke ita a ni ban bada ban bada ai sai ga ta nan ta rishin lahiya aka kwashe ta aka kai ta gidan likita babu jini gali na da gudu muka zo wajen li muka amso jini aka je aka sa mata da ta tashi na ce to kaka sai ta ce wallahi gaske ki fati ce to désormais ke ma ki rika tayya kina bada badawa ba sai lokacin da kake cikin masala sannan za ka ce ka nemo ba mhm, mhm. kenan ni cira da agare ni matasa duk inda kuce mu sohi ma muna bada balle ku matasa duk inda kuce ba wani abu yake tambaye ku ba kawai yalla dauka taksi zawwa nan a dauko jini ga lada ga komi da komi da benediction kin da Allah zai muku kenan ni kira gare ni ga 'yan samari da 'yan mata su rika zawwa in baka da wani abu akwai hanya da yawa wanda zai sa mutum aljanna gama yana yi hanya ce mai sa mutum aljanna kenan muna nema ga 'yan samari da 'yan mata wanda suke da kari su rika zawwa bayan mu mu 'yan sohi tagar-tagar kenan ku masu karhi ku rika zawwa kuna bada to kun ji dai tanti fatinan kun ta yi magana auditor kinmu na karan si radio partner da ke shuraren mu a duka jihohin niger ga aika yanzu Amis de l'émission Tous la Fada, bonsoir. Dans la chronique 2, ce soir, nous allons parler du respect des gestes barrières. En mars 2021, on comptera 12 mois de règne pour le nouveau coronavirus. Jusqu'au 18 janvier, le coronavirus a touché plus de 95 853 711 personnes à travers le monde, dont 2 45 764 sont décédés, tandis que 68 407 390 entre autres se sont rétablis selon la plateforme Worldometer. Eh bien, malgré ces chiffres ahurissants, il y a encore qui ne respectent pas les gestes barrières, réflexe qui pourtant doit être l'objectif principal de chacun d'entre nous. Selon les autorités le respect des gestes barrières pourrait limiter la propagation du virus et par conséquent éliminer progressivement le virus. Des pays comme le Japon auraient maîtrisé la propagation du coronavirus en respectant des mesures barrières. Eh bien, malgré ces différentes garanties, nos populations, surtout la population nigérienne, celle parmi laquelle nous vivons, ont du mal à respecter les gestes barrières. Dans les taxis, les marchés ou des fois même dans les centres de santé, très peu de personnes portent des masques de protection la distanciation physique très peu respectée. Avec les campagnes électorales qui s'annoncent, on se demande combien seront-ils à défier les mesures barrières de lutte contre la COVID-19. Parce que nous avons tous été témoins du non-respect des gestes barrières pendant les récentes campagnes et à quelques semaines du second tour de la présidentielle, on se demande si les choses vont changer. Les candidats porteront-ils des masques de protection Les militants vont-ils éviter les attroupements Comment venir à bout du nouveau coronavirus dans ces conditions Amis auditeurs et auditrices de l'émission Tous à la Fada, le respect des gestes barrières est un acte utile et bénéfique pour tous. En le faisant, nous nous protégeons et nous mettons les autres à l'abri. La responsabilité nous incombe désormais de faire partir le coronavirus. Et pour cela, il n'y a pas de solution miracle. Il faut respecter les gestes barrières. Je me permets de vous rappeler ces gestes essentiels. Laver les mains et tousser dans le creux du coude. Éviter les regroupements et garder une distance sociale d'au moins un mètre entre vous et les autres. À vos masques, prêts, respectons les gestes barrières. Merci bien, Olivier. C'est la fin de tout ça, la fada français Hausa. Monsieur, nous tenons à remercier Kalangu uh-huh. pour vraiment nous avoir donné l'opportunité vraiment d'éclairer les gens par rapport aux dons de sang. Donc vraiment, l'appel que j'ai à lancer, c'est que toutes les bonnes volontés, toutes structures vraiment viennent, ne serait-ce qu'un peu, donner de ce liquide précieux qui est gratuit et que Dieu nous a donné. Et ça peut sauver beaucoup de vies humaines comme je l'ai dit toujours, ça peut arriver à n'importe qui d'avoir besoin du sang de quelqu'un. Vraiment, on vous remercie. Et quelle que soit la structure, quelle que soit la bonne volonté, elle peut venir. C'est ouvert du lundi au dimanche. Hein. Donc, euh, et de si c'est les jours ouvrables, c'est de 8h à 17h30. Et les jours fériés, ou bien les samedis et dimanche en fonction de la disponibilité, enfin des, du nombre de l'affluence des donneurs payés. Donc, monsieur Lee, shi dai wannan jinin dai a bada shi ana iya ceton rayuwa da shi kuma tana rayuwa ma kai da kanka kan naka ma ne zaka ceta parce que on ne sait jamais in kun ya jiki ya tsira on va se dire au revoir sai mun shirin tusa ala fada kada ku mance lamba da kuke iya aiko mana akan ta a